le forum du studio le du studio le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalangou le forum du studio Kalangou le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalangou. le forum du studio Chers auditeurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou que vous recevez grâce à notre réseau dynamique composé de 46 radios partenaires repartis dans toutes les huit régions du Niger. Comme vous le savez, le processus électoral a entamé sur son cours au Niger. Après la tenue des élections locales le dimanche 13 décembre dernier, c'est la campagne électorale de la présidentielle premier tour couplée aux législatives du dimanche 27 décembre 2020 qui se poursuit activement. Et à ce fait, le studio Kalangu, fidèle à sa mission d'informer, vous offre l'opportunité de découvrir le programme politique des 30 candidats déclarés éligibles à cette euh, élection présidentielle du 27 décembre prochain. Ce numéro du forum de Studio Kalangu est l'un des 10 que le Studio Kalangu s'est proposé de faire dans l'une des trois langues que sont le Hausa, le Zagma, ou le français, et cela à raison de trois candidats par émission. Ce soir, ce numéro du forum spécial élection au Niger a l'honneur de recevoir euh, Monsieur Abdoulaye Doumari. Il est le secrétaire à la communication et porte-parole du parti Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Sulhu. Il est le représentant du candidat de ce parti, Ibrahim Gado. Monsieur Abdoulaye Doumari, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également dans ce studio Monsieur Habou Abdoulaye. Il est le représentant du candidat Sagbo Adolphe du Parti socialiste PS Imani. Monsieur Abou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à cette euh, invitation. Nous avons invité aussi le candidat du parti PNDS Tareya, mais ce parti n'a pas donné suite à notre invitation. Nos discussions vont tourner autour euh, de trois axes. Quel est le secteur prioritaire pour euh, chacun de vos candidats Qu'est-ce que ces candidats prévoient dans les domaines de la santé, l'éducation, la sécurité, l'agriculture et l'élevage et comment compte-t-il les mettre en œuvre à la présentation de ce forum, Michel Dj. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum spécial élection au Niger. Monsieur Abdoulaye euh, Doumari, pour euh, commencer, vous représentez le candidat du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Solhou. Quel est le secteur prioritaire dans lequel le candidat Ibrahim Gado, que vous représentez, compte euh, investir plus de ressources et pourquoi okay, merci pour la question. Au cœur de notre projet de société, nous avons mis l'accent sur la justice. Parce que nous sommes dit que au CRPD d'autant plus que la devise de notre parti est justice, consensus, progrès, il faut que la justice, en tout cas, soit restaurée. Il faut que la justice soit respectée à tous les niveaux pour que le principe de citoyenneté, d'égalité entre les Nigériens, en tout cas, puisse être établi et respecté et pour que euh, tous les citoyens puissent vivre pleinement et participer au progrès national. C'est l'injustice qui est à la base de tous les maux sociaux et politiques, en tout cas, que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi nous sommes dit qu'au Niger, tant qu'on ne restaure pas la justice, toute action, en tout cas politique, qu'on va entreprendre risque d'être vaine. Voilà pourquoi nous mettons la justice au centre de notre projet de société. Vous faites donc euh, de la justice votre priorité. Pour vous, c'est une question transversale il faut une bonne justice euh, pour que nous puissions donc avoir euh, tous les axes euh, qui s'en suivent. Nous allons continuer, nous reviendrons justement sur certains aspects. Monsieur Abou Abdoulaye, vous représentez le candidat du Parti socialiste PSI Mani Sagbo Adolphe, sur quoi votre programme de développement met l'accent en termes de priorité Merci, monsieur le présentateur. Euh, c'est une belle opportunité que le studio Kalangu nous offre pour venir exposer aux électeurs, à la nation, notre programme. Mmh. C'est très important parce que les gens passent, mais quand le programme, s'il est de bonne qualité, il peut y rester aussi longtemps que possible. Mmh. Alors, à votre question, nous, notre parti, dont la devise est liberté, justice, travail, et solidarité, c'est que l'accent sera le plus mis sur euh, la jeunesse et l'autonomisation de la femme. Pourquoi la jeunesse Parce que si vous prenez notre pays, c'est un pays jeune. La plupart, c'est-à-dire qu'au-delà de la majorité donc, de la population, donc euh, c'est une population qui est jeune, qui a à peu près l'âge euh, variant entre de 0 à 15 ans, voire 25 ans, donc représente au-delà de 70% de la population. Alors, si cette jeunesse n'est pas quand même encadrée pour qu'elle puisse euh, être la relève de demain et qu'elle puisse aussi donc euh, produire euh, ce que attend, elle risque d'être une bombe, comme l'a dit une fois donc le fait président Sekou au fait président donc Seigneur Kunchi. C'est-à-dire que donc la jeunesse tant qu'elle n'est pas occupée, tant qu'elle n'est pas quand même encadrée, au finish elle risque d'être quelque chose donc de hautement incontrôlable. Et l'autre côté aussi, donc, quand nous prenons donc la femme, pourquoi donc euh, nous voulons assez qu'elle soit autonome La femme, c'est, euh, comme on le dit toujours, elle n'est ni au-dessus ni en dessous de l'homme, mais elle est à côté de l'homme. Pourquoi Ça veut dire que c'est pour l'aider. Parce que tout ce que nous faisons, aujourd'hui nous sommes là au studio Kalangou en train de faire cette émission, mais on est sûr qu'il y a nos femmes qui sont là-bas qui prennent en soin nos enfants qui prennent en soin donc nos maisons. Mm. Alors si ces femmes-là vraiment eh, n'ont pas une certaine autonomie, ça sera vraiment difficile. C'est-à-dire que tous ceux que nous baptisons, elles risquent donc de les détruire. Mais si elles sont autonomes, ça à dire que là où euh, nous n'arrivons pas donc à pouvoir franchir, Inch'Allah, donc ces femmes-là peuvent faire donc leur part et on aura une famille et de la famille, on aura comme une nation qui pourra euh, et être donc une nation euh, dont le demain sera meilleur, Inch'Allah. Vous dites que votre priorité, c'est la jeunesse, mais mm. aussi la femme à travers son autonomisation. Qu'est-ce que vous comptez apporter à la jeunesse et à la femme que cette jeunesse n'a pas actuellement ou que les femmes n'ont pas. Si vous prenez, et toujours on revient un peu en arrière, autant de faits présents Tanja, la femme, surtout donc euh, les femmes rurales, ont commencé à être autonome. Certes, on les octroyait pas grand chose, mais quand ça leur permet de pouvoir vivre et aussi donc prendre soin donc, de leurs enfants. Mais je vous assure, euh, j'étais à l'intérieur du pays jusqu'à dimanche, c'est-à-dire que les, donc, les jours des élections, il y a des contrées, surtout de la région donc, Tawa où vous allez dire que même l'État les a oubliés. À tel qui que euh, ces femmes-là, ça veut dire que c'est comme s'il y a un retour à la case de départ. Qu'est-ce que l'État aurait pu faire L'État aurait été plus proche d'eux, c'est-à-dire qu'en euh, en faisant une continuité, quand on trouve quelque chose de bien qui a été fait par le précédent, au lieu donc de tout remettre à zéro, il faut continuer dessus. Mais ces formes-là quand ont été délaissées à tel ancien qu'elles donc elles étaient retournées à peut-être souvent pire que la situation dans laquelle elles étaient auparavant. Et quand on par exemple aussi donc la jeunesse, nous voyons de nos jours presque tout ce qui se passe à tel enseigne euh, nous avons ceux qui arrivent comme on prénomme donc les ceux qui sont donc à l'école il y a un manque d'encadrement il y a un certain laisser aller euh, des autorités actuelles à tel enseigne l'éducation surtout donc au niveau public c'est plus qu'un fardeau pour euh, les parents pour les, donc les étudiants et les élèves eux-mêmes à tel enseigne qu'on produit donc des étudiants et des élèves qui n'ont même pas de niveau. Et comprenez par exemple donc, les diplômés, il n'y a pas de débouchés, ils n'ont pas d'emploi. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'entre eux essaient donc de franchir les frontières avec tous les risques que, ça comporte. Ah, au niveau donc du, passage du, désert, une fois arrivé au niveau donc, des océans, on voit comment donc les gens meurent parmi eux et encore donc arriver en Europe ou bien au-delà, on nous voit les conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre. Donc nous voulons encadrer notre... Le Niger a besoin de ces jeunes parce que donc la jeunesse, c'est ça la main d'œuvre idéale. La main d'œuvre aussi, donc c'est la relève. Tant qu'elle n'est pas encadrée, ça veut dire qu'on finira, l'héritage sera vraiment désastreux. Nous avons bien compris ce que vous avez dit. Votre parti, le Parti socialiste PSI Mané, compte mettre beaucoup plus l'accent sur la jeunesse à travers une éducation de qualité, mais aussi sur la femme en promouvant son autonomisation. Nous avons compris également le parti Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Sulhu, qui prône une justice qui pourrait permettre l'essor du Niger sur tous les autres plans. Nous allons donc euh, aborder à présent les différents axes de vos programmes respectifs. Nous avons entendu les priorités des candidats Parlons éducation tout d'abord. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les projections montrent que la population en âge d'entrée en première année du cycle fondamental CI devrait atteindre plus d'un million d'enfants chaque année d'ici 2030 contre environ 400 000 enfants en 2001. Si l'État nigérien veut accueillir tous ces enfants, rien que pour la classe de CI, il va falloir construire 10 000 nouvelles salles de classe et recruter autant d'enseignants. Monsieur Abdoulaye Doumari, représentant du candidat du Parti Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Sulhu, que compte faire euh, de spécial votre candidat Ibrahim Gado pour le secteur de l'éducation au Niger, notamment pour le primaire, le secondaire et l'universitaire. Ok, merci pour la question. Euh, l'éducation est euh, le pilier ou un des piliers de notre projet de société, dans la mesure où au premier axe nous avons énoncé que euh, une fois que notre candidat, en tout cas, sera élu, si Dieu le veut, nous allons promouvoir une société équitable. Et la société ne peut pas être équitable si au préalable, les membres de cette société ne jouissent pas d'une éducation de qualité. L'éducation, comme on le dit, c'est le passeport du futur. L'éducation, c'est elle qui fait la qualité de la vie d'un être humain. Et aujourd'hui, si le Niger est classé en tout cas un en enviable du point de vue de l'IDH, c'est parce que tout simplement, l'éducation est au rabais. C'est vrai, l'éducation fait partie des critères euh, avec lesquels on évalue l'IDH et ça fait partie donc des raisons pour lesquelles le pays est souvent classé dernier. Mais vous, concrètement, que comptez-vous faire une fois au pouvoir euh, Concrètement, euh, nous estimons qu'il y a lieu de repenser en fait euh, la question de l'éducation. Mais pour qu'il y ait une éducation de qualité, il faut d'abord que les enseignants, en tout cas qui sont censés éduquer les élèves du niveau primaire, euh, en passant par le secondaire jusqu'au niveau supérieur, il faut que les enseignants, en tout cas, soient bien formés. Une formation de qualité des enseignants. Oui, donc une formation de qualité des enseignants, ça veut dire que à ce niveau, nous misons sur la formation des formateurs. Par exemple, mhm. dans les écoles d'instituteurs, les écoles nationales d'instituteurs, il faut que les enseignants soient formés. Il faut que vraiment les enseignants est une déontologie, il faut qu'il ait la passion de leur métier. Parce que quand vous essayez de voir euh, par le passé ou bien avant la démocratisation du Niger, ce qui a fait en fait la gloire du Niger ou bien la renommée du Nigérien, c'est grâce à l'éducation. Mais aujourd'hui, parce que tout simplement, euh, l'éducation ou bien l'éducateur, l'enseignant, n'est pas dans des conditions avec le phénomène de la contractualisation. Donc on voit que l'école publique perd de plus en plus son crédit. Justement, vous avez abordé la question de la contractualisation des enseignants. Est-ce que vous comptez mettre fin à cela à travers votre programme Oui, nous pensons que l'important, c'est vraiment de repenser la situation du contractuel comment d'abord amener l'enseignant, en tout cas, à aimer son métier, comment le mettre dans les conditions, parce que le problème qui se pose avant tout au niveau de l'éducation, c'est un problème de formation, c'est un problème de conditions parce qu'aujourd'hui, quand vous essayez de voir, l'enseignant n'est pas dans des conditions. Et une fois qu'on n'est pas dans les conditions, on ne peut pas apporter euh, tout son potentiel, en tout cas dans un travail. Et ça qui fait en sorte que, bon, vraiment, l'éducation est délaissée. Et à ce niveau, ce que compte faire le CRPD sur vous, nous voudrions redonner confiance ou bien nous voudrions que l'école publique, en tout cas, reconquiert ses lettres de noblesse. Parce que par le passé, on sait que l'école publique était vraiment une école, en tout cas, de notoriété était une école vraiment qui, qui méritait en tout cas tous les qualificatifs, en tout cas valorisants, dans la mesure où le privé est même, euh, je dirais, relégué au second plan. C'est même euh, une gêne, si je peux le dire. En fait, personne ne veut faire le privé. Et aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Vous comptez agir euh, afin d'inverser cette tendance Oui, effectivement, parce que nous, nous sommes le produit de l'école publique. Et ceux qui nous dirigent également sont le produit de l'école publique. Et nous pensons que la meilleure façon de donner du crédit à cette école publique, c'est de faire en sorte que les enfants des leaders, hein, donc, dans ces écoles publiques. Il faut Pour donner du crédit à cette école, il faut également parler infrastructure. Vous avez parlé en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructure. Que comptez-vous faire Oui, donc vous savez, nous, nous pensons qu'au CRPD, sur le Niger est un pays qui est riche il est riche de sa population, euh, riche de sa jeunesse, riche de ses femmes, euh, riche vraiment des ressources naturelles, mais seulement il est mal géré, il est mal exploité. Donc c'est la mauvaise gestion, c'est la mauvaise répartition des ressources qui fait en sorte que l'éducation est vraiment tourne au ralenti. Donc c'est pourquoi nous nous estimons que rien qu'à travers les ressources nationales, on peut construire des classes Hein, à tous les élèves nigériens. On peut vraiment octroyer des bourses, on peut octroyer de l'aide sociale à tous les étudiants, des allocations à tous les élèves pour qu'ils puissent étudier dans des conditions optimales. Mais si les ressources nationales, en tout cas, sont partagées dans les mains d'une minorité. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'une école de qualité. En termes de construction de classe, est-ce que vous avez des chiffres dans votre programme oui, en termes de construction de classe, euh, nous ne voulons pas en fait euh, nous baser sur des chiffres parce que bon, on a vu ceux qui ont proposé des chiffres, à quoi ça a donné. Donc, il vaut mieux vraiment mm. euh, mettre l'accent sur une politique sociale, sur la réalité. Mm. Donc, moi, je pense que du point de vue de l'éducation, le plus important, ce n'est pas en fait la construction de classe encore que la classe est importante, mais l'école peut être considérée, la classe peut être considérée comme tout lieu où on peut former et apprendre et faire apprendre à quelqu'un. Donc on peut encadrer un enfant ou bien des élèves en tout cas sous un hangar, sous un arbre, euh, dans, dans la rue si le besoin l'impose mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'amener les gens à comprendre la nécessité d'inscrire leurs enfants à l'école parce que quand vous essayez de voir, l'essentiel de la population nigérienne, elle est euh, rurale. Et jusqu'à présent, il y a des concitoyens qui ne perçoivent pas l'enjeu d'inscrire leurs enfants à l'école. Donc, comment les amener à comprendre la nécessité d'inscrire les enfants à l'école comment leur alléger en tout cas les dépenses qui sont liées à la question de l'éducation. C'est en cela qu'on peut les motiver à inscrire leurs enfants. Donc vous voyez, et aussi il faut comprendre que la question de l'éducation au Conseil républicain pour le progrès et la démocratie est vraiment euh, une question fondamentale dans la mesure où euh, nous misons sur la réforme de notre société. On ne peut pas réformer une société tant que les individus qui composent cette société ne sont pas réformées. Quand vous parlez de la réforme de la société, quel est le lien avec l'éducation Oui, vous savez, à ce niveau, Dieu, dans le noble Coran, dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne changent pas ce qu'il y a en eux qu'est-ce qu'il y a en nous, nous les Nigériens hmm. Est-ce que nous sommes animés ou bien nous sommes imbus des valeurs patriotiques, citoyennes Est-ce que c'est le travail bien fait qui nous anime est-ce que nous misons sur la qualité, la compétence Est-ce que nous misons sur l'égalité, la fraternité, la citoyenneté Donc nous, pensons que ces valeurs-là, nous devons les repenser ou bien nous devons les mettre euh, en avant parce que tout simplement, quand vous essayez de voir au Niger, la qualité n'est pas encouragée ou bien la justice sociale en tout cas est bafouée. La plupart des, diplômés ou bien la plupart des gens qui sont sans emploi ou bien sous-employés, c'est parce que tout simplement ces gens-là sont issus des couches sociales défavorisées alors que le Niger est une république et dans une république, les citoyens sont égaux. Donc il faut que vraiment nous respections euh, ces fondamentaux de la République. Merci beaucoup. Nous allons à présent donner la parole à M. Habou Abdoulaye, représentant du candidat Sagbo Adolphe du Parti socialiste PSI Mani. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous, pour le secteur de l'éducation dans votre programme au niveau du PS Imani oui, Merci, monsieur le présentateur. Dans notre programme, on a axé sur euh, sept axes l'agriculture, euh, l'élevage, l'éducation, la santé, l'hydraulique, la promotion et l'autonomisation de la femme, la jeunesse et la sécurité. Je veux côté aussi donc toujours le Coran qui dit que celui qui connaît et celui qui ne connaît pas ne sont pas les mêmes. l'éducation est un secteur euh, vraiment incontournable dans toute société qui mérite quand même à euh, se retrouver. Mmh. Mais avec l'avènement donc de la démocratie, on a vu que ce secteur a été vraiment délaissé parce que, je ne sais pas, les politiciens d'antan voyaient ça comme une menace. Le secteur est délaissé, c'est ce que vous pensez. Que comptez-vous faire alors pour améliorer justement le secteur donc de l'éducation secteur donc de l'éducation, nous avons prévu donc la construction des classes à matériaux définitifs. C'est très important parce que eh, vous voyez par exemple donc au Niger la saison pluvieuse commence au, euh, à mi-mai juin déjà tout en, en cet là il y a l'école qui est toujours donc euh, en vigueur. Mais vous allez voir que donc il y a euh, certaines régions de nos pays, dès qu'il commence à pleuvoir, on est obligé d'arrêter donc les études. Parce que sinon, en pleine donc étude, euh, quand l'eau va tomber, les anciens sont obligés donc de, de, dire aux enfants donc de, de, rentrer chez eux. Et vous voyez que maintenant avec les changements climatiques aussi, la saison privée souvent elle accède même au-delà donc du, du mois d'octobre et ça gêne le début donc de la rentrée. Il faut euh, donc euh, construire euh, des, classes en matériaux définitifs. Vous avez prévu des chiffres Les chiffres, on a préféré donc ne pas les mettre. Pourquoi C'est pour éviter vraiment donc de faire des amalgames. Mhm. Comme toujours donc l'a dit donc c'est pour éviter qu'on donne donc des chiffres et qu'on n'arrive pas donc à les mhm. atteindre. Mais, Mais c'est-à-dire que la à la réalité. voilà à la réalité. Mhm voir la situation, mais quand même, nous allons mettre un grand taxi donc dessus pour s'assurer qu'il y ait beaucoup de classes et de bonne qualité, pas des classes qui vont tomber sur nos enfants, comme on l'a vie ou bien donc des classes, peut-être avant la réception, donc, euh, sont euh, non mhm. opérationnelles. Les autres aspects sur lesquels vous comptez euh, mettre l'accent, toujours en lien avec le droit à l'éducation. C'est-à-dire qu'il y aura la formation aussi et le recrutement de tous les enseignants contractuels. Vous allez recruter tous les anciens Tous les contractuels. contractuels, parce que nous voyons que un enseignant c'est un éducateur. C'est un éducateur comme les parents. Les parents commencent l'éducation donc à la maison. Une fois à l'école, maintenant, c'est cet enseignant-là qui prend les relais. Alors, mais comment imaginez-vous donc, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à satisfaire donc, aux besoins donc, de sa famille, peut-il se mettre donc à enseigner donc les enfants Ce que j'ai eu donc à, voir dans, un, dans une ville dont j'ai travaillé, Bouza par exemple, il y a des moments où les enseignants, tu vas les voir en train de faire une queue, juste pour prendre donc les péquiles, on dirait qu'ils sont en train de demander. Et ça, c'est vraiment dénigrant. Mhm. Pour quelqu'un qui est là pour donc euh, sur nos enfants, pour les inculquer donc le savoir, il devrait être les conditions les meilleures. Prenons par exemple le cas de la Tunisie. Prenons le cas aussi donc du Maroc. Vous allez voir que donc les Marocains et les Tunisiens sont un peu partout. Mais qu'est-ce qui fait leur fierté C'est le savoir. Mhm. Parce qu'ils ont appris et ils ont le savoir-faire. Alors pourquoi nous ne voulons pas faire donc euh, de ce secteur un secteur clé pour notre développement Alors que nous aspirons à euh, faire en sorte à ce que tous ceux que nous avons prévu de notre programme, que nous puissions donc les atteindre. Et pour cela, il nous faut avoir des gens vraiment qui en savent quelque chose et qui peuvent quand même faire euh, utilisation donc du savoir qu'ils Vous dites bien que vous comptez mettre fin à la contractualisation qui constitue une des du système éducatif nigérien, on le sait, mais comment vous comptez y faire face puisqu'on parfois les régimes qui viennent disent souvent qu'il n'y a pas de moyens. Le moyen au Niger, moi je dirais qu'il y a toujours le moyen. Mais euh, on essaie de les dévier pour d'autres choses. Comprenez par exemple là, le Niger, nous ne dépassons pas donc euh, le 20, donc à, prenons ça euh, donc à un plafond donc de 25 millions. Comparé à d'autres pays tout proches ici, donc le Nigeria, nous n'attendons même pas une ville. Par exemple la ville de Kano. Mhm. Alors que le Niger est plus grand que le Nigeria. Le Niger a d'importantes ressources. Au début, nous ne produisons pas du, du pétrole. Alors Selon vous, alors pourquoi cette politique a échoué jusque-là Cette politique donc, a échoué parce que donc, les gens ont mis leurs intérêts devant l'intérêt de la nation. Mhm. Donc, c'est-à-dire que les gens croyaient que, donc, une fois donc, accède donc, à une position politique, la première des choses, c'est quoi C'est de savoir remplir donc, les poches. Parce que nous le voyons. Maintenant, qu'est-ce qui est en train donc, de se passer Les gens, tu sais qu'ils ont terrorisé, ils sont en train de sortir pour battre campagne alors qu'ils auraient dû utiliser ça pour le bien-être de la population là. Les ressources y sont, mais c'est qu'elles sont mal gérées. vous avons compris, nous allons passer à présent à une autre partie de ce forum et c'est pour parler santé maintenant. Dans le plan de développement sanitaire PDS 2017-2021 euh, du Niger, il est dit que l'un des défis majeurs auxquels notre système de santé fait face est celui d'offrir à la population des prestations de qualité dans un esprit social et d'équité. Monsieur Abdoulaye Doumari du parti Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Soulhou. Vous représentez le candidat Ibrahim Gado, le candidat de ce parti. Comment comptez-vous relever ce défi Merci, monsieur le présentateur. Nous savons tous qu'au Niger, la santé est vraiment un défi qui mine en fait ou bien qui compromet la vie des Nigériens. Donc c'est pourquoi nous avons mis la question de la santé au cœur de notre programme. Euh, la santé d'abord, nous allons parler de l'amélioration de la santé infanto-juvénile, donc l'amélioration des conditions en tout cas de la femme, parce que nous avons dit que la femme, les jeunes et les personnes handicapées sont au cœur de notre projet de société. Et la femme, notamment la femme enceinte, nous estimons qu'elle doit être assistée, elle doit être mise dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse vraiment être suivie et vraiment euh, accoucher dans les conditions les meilleures. Donc dans ces cas, il faut vraiment non seulement que la femme enceinte soit vraiment bien traitée, mais aussi les enfants mmh. de 0 à 7 ans, ils doivent être vraiment prises en charge ou bien les personnes qui sont admises dans des urgences, il faut qu'on leur offre les premiers soins il Il faut une meilleure prise en charge sanitaire dans le pays, mais comment comptez-vous y arriver Oui, de façon pratique, dans notre programme, nous avons dit qu'il faut augmenter le ratio du nombre de médecins par habitant. Vous avez prévu combien en termes de ratio Oui, nous, nous avons prévu d'augmenter ces ratios de 1 pour 10 000 au courant 2025. Parce que qu'actuellement, mhm. elle est de 1 pour 15 000. Donc vraiment, il faut que les médecins, il faut qu'ils soient recrutés. Nous avons des médecins qui sont des diplômés, donc nous estimons que cela peut permettre en tout cas à ce que ces enfants-là qui ont le droit, c'est leur droit en tout cas d'être protégés et soignés, donc on doit les prendre en charge. Et la République prévoit, notre constitution prévoit le droit à l'assistance. Vous dites bien que vous comptez augmenter le ratio qui est actuellement de 1 médecin pour 15 000 habitants. Vous comptez ramener ça à un médecin pour 10 000 habitants. La population croît chaque année de façon exponentielle. Est-ce à dire que vous allez faire des recrutements massifs de médecins. Oui, le recrutement, moi, je pense que c'est une question qui doit être, en tout cas, à l'ordre du jour, bien, au centre de notre programme, parce qu'il faut que les Nigériens, en tout cas, qui ont reçu une formation, je dirais, il faut qu'ils aient un travail, surtout les médecins. Du point de vue de la santé, on sait que la santé, elle est vraiment au cœur. Euh, c'est le plus grand capital, en tout cas, que peut se prévaloir un être humain. Donc, euh, le prophète, paix et sur lui, disait qu'il y a deux bienfaits que l'être humain minimise, la santé et le temps. Donc, la santé, vraiment nous devons la reconsidérer. Et pour reconsidérer la santé, c'est comme l'éducation. On ne peut pas valoriser l'éducation si l'enseignant contractuel ou bien si l'enseignant tout simplement n'est pas considéré et on ne peut pas non plus améliorer les conditions sanitaires des Nigériens si les médecins qui sont censés prendre les Nigériens en charge ne sont pas en tout cas euh, mis dans de bonnes conditions. Donc voilà pourquoi nous allons en tout cas miser sur le recrutement massif et au-delà du recrutement aussi, il faut qu'il y ait une répartition de ces médecins dans les différentes régions, dans les régions les plus reculées. Et il faut qu'on alloue des indemnités, qu'on motive ceux qui vont, par exemple, travailler dans les zones les plus reculées. Il faut qu'on euh, donne un, un, certain crédit à la santé publique parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose du point de vue de la santé, on sent que le Nigérien est beaucoup plus accueilli quand il part dans une clinique que lorsqu'il est vraiment dans un centre de soins publics. Donc comment faire pour amener nos concitoyens en tout cas à savoir que ce qu'ils sont en train de faire, avant tout ils le font euh, parce que tout simplement, ils ont la vocation du métier. Ils le font parce que c'est une responsabilité qu'ils ont prise vis-à-vis de la nation, mhm. vis-à-vis de Dieu. Donc vraiment, quand on a un travail à faire, on doit le faire en âme et conscience. Il faut reconsidérer donc le secteur de la santé. Beaucoup de candidats font cette euh, promesse euh, aux électeurs. Malheureusement, quand ils arrivent au pouvoir, on revient sur les mêmes préoccupations. Quelle garantie vous donnez aux électeurs au niveau de votre parti, le CRPD Soulhou Voilà, merci. Tout à l'heure, vous avez parlé du président du CRP de Souloufou, haji Ibrahim Gado. En fait, notre particularité au CRP de Souloufou, nous ne faisons pas de promesses à nos militants. Mais c'est que sur notre pourquoi politique, c'est parce que tout simplement, les citoyens avec lesquels nous vivons, ils ont vu elles ont approuvé la politique sociale que le candidat, le camarade Ibrahim Garou est en train de faire. C'est la raison pour laquelle ils lui ont demandé de militer. Et lui-même, quand il a réfléchi, il a compris que quels que soient les moyens dont on dispose, si on ne milite pas, en critiquant tout simplement, on ne peut pas contribuer au progrès national. En croire ce que vous dites, il faut donc croire à cette euh, générosité que votre candidat, Ibrahim Gado, a souvent exprimée qui a permis d'aller assister des populations en situation difficile dans beaucoup de localités du pays. Merci, c'est bien compris. Nous allons à présent donner la parole à M. Habou Abdoulaye, représentant du candidat Sagbo Adolphe euh, du Parti socialiste euh, PSI Mani. À votre niveau, quel est votre plan pour l'accès aux soins et services de santé de qualité à la population nigérienne Oui, merci. Euh, nous savons que beaucoup de progrès, il faut les reconnaître, ont été quand même atteints par euh, les différents régimes qui sont succédés. comprenez par exemple la, la construction de l'hôpital de référence euh, ici à Niamey, à Maradi aussi, et aussi euh, certains centres donc, de santé qui sont dotés par des ambulances et autres. Est-ce suffisant selon vous Je dirais ça va, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. Que comptez-vous faire alors justement pour mieux faire Alors nous au niveau donc du PSI Mani, sur le développement à la base. Alors c'est pour cela que nous, donc, notre parti, donc, euh, PSI Mani, euh, euh, à la tête donc duquel euh, le camarade Sagbo Adolphe préside aussi, nous avons vraiment mis beaucoup l'accent sur le domaine de la santé parce que nous savons que, comme l'éducation, c'est un secteur qui est incontournable. C'est un, secteur donc, que tant que donc, les jeunes ne sont pas en bonne santé, tout ce qu'on va vouloir qu'ils le fassent, ils ne pourront pas le faire. Quand nous prenons par exemple euh, le secteur de la santé au travail, un travailleur, pour qu'il puisse prendre donc, le meilleur donc, de lui-même, il faut quand même qu'il soit en bonne santé. Nous avons vu il y a quelques années des centres de soins donc, euh, privés qui sont en train donc, de pulluler. Vous allez voir une personne qui est même donc, dans le secteur public, mais qui se retrouve là-bas pour euh, donner donc, des, soins, alors qu'il privilégie même donc, le secteur privé parce que donc, pour lui, il gagne mieux là-bas. Mhm. Ici, quand vous prenez par exemple les consultation euh, au niveau donc, du secteur public, la personne va dire qu'elle ne peut prendre par exemple là, qu'une dizaine ou bien une vingtaine de patients. Alors que nous voyons, donc, que nous voyons que dans le secteur privé, la personne peut aller même jusqu'à 100. Mhm. Pourquoi Parce qu'elle sait donc à chaque prestation, elle a une partie et l'autre donc question qu'il a qu'il emploie donc en a une autre. Mais pourquoi ne pas C'est Pourquoi ne pas faire en sorte à ce que la personne puisse quand même être bien payée pour qu'elle puisse et répondra au pourquoi elle a été donc engagée par l'État. Et faire maintenant en sorte à ce que ceux qui veulent rester donc dans le secteur privé, ils restent parce que c'est un choix. Et ceux qui sont donc dans le secteur public, que l'État quand même puisse les encadrer, puisse les fournir donc le moyen nécessaire pour qu'ils puissent quand même faire donc le pour que qu'ils soit recruté. Ça, c'est un aspect parmi tant d'autres. Qu'en est-il du ratio Est-ce que vous trouvez que euh, le, ratio médecin-population au Niger est bas et que il est vous trop bas. comptez l'améliorer il, trop bas, nous comptons l'améliorer. Un pour 15 000, vraiment, si, c'est je dirais que c'est très peu. Mm-hmm. Donc nous, nous comptons vraiment la minimum en deçà donc 1 pour 10 000. Mm-hmm. C'est très important. Et il faut que aussi que ce soit donc des, des, médecins et des infirmiers donc de bonne qualité. En termes d'infrastructures, euh, dans les zones les plus reculées, que comptez-vous faire dans les zones les plus reculées, je crois même qu'en termes d'infrastructure, avec le régime qui a précédé donc euh, le régime actuel, il y a eu des cases de santé qui ont été faites, même à les hommes qui étaient abandonnés. Vous parlez du président Tanja, son voilà, son régime. Il y a des cases de santé qui ont été vraiment faites ces cases de santé-là, on peut les récupérer. Je sais que donc beaucoup a été fait donc, parce qu'on est en train de les transformer donc, en CSI. Mais même dans les contrées donc les plus reculées, nous comptons faire en sorte à ce que ces agents de santé-là, que nous allons donc recruter, ou bien que nous allons donc euh, faire en sorte à ce qu'ils euh, soient donc de bonne qualité, puissent être donc répertoriés dans tous ces centres de santé, à tel enseigne qu'on n'a pas besoin de faire de longs trajets avec des malades. Parce que vous allez voir qu'il y a des malades, même étant donc dans des ambulances, ils décèdent tout simplement parce que la distance est longue. On vous comprend donc, euh, vous comptez vous appuyer sur euh, des points positifs euh, dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne, par exemple, le programme spécial du président Tanja Mamadou de la cinquième République. Merci à vous, nous vous avons bien compris. Parlons agriculture et élevage à présent. La déclaration de Maputo préconise aux États membres de la CDAO d'investir au moins 10% des budgets nationaux dans l'agriculture. Au Niger, la part du budget 2021 allouée au secteur de l'agriculture est de 4,3% et il était de 3,6% dans le budget 2020. Dites-nous, que comptez-vous faire pour appuyer le monde rural Abdoulaye Doumari du parti CRPD Soulhou du candidat Ibrahim Gado. Ok, merci bien. Nous savons qu'au Niger, l'agriculture et l'élevage est l'un des piliers de notre économie. Donc il faut que cette agriculture, en tout cas, soit modernisée parce que nous sommes tous conscients de l'échec des anciennes techniques agricoles. Pourquoi ces anciennes euh, techniques agricoles ont échoué, vous pensez Et que comptez-vous faire pour que les auditeurs qui nous écoutent puissent croire que votre politique à vous ne va pas échouer comme les autres ont échoué, comme vous le dites oui, de façon réaliste, euh, nous venons du village, nous avons cultivé par le passé on sait que le champ, la terre en tout cas était beaucoup plus favorable, beaucoup plus clémente que maintenant. Il y a l'urbanisation, il y a le phénomène de la désertification, il y a le morcellement de terre et bien d'autres réalités euh, ou bien d'autres circonstances climatiques telles que la sécheresse, l'inondation, la dégradation des sols qui font en sorte que vraiment aujourd'hui l'agriculture traditionnelle telle que nos parents l'ont pratiquée, nos grands-parents, n'est pas à même de permettre aux Nigériens que nous sommes en tout cas de se prendre en charge. Donc c'est pourquoi l'État doit investir, il doit moderniser l'agriculture. C'est ce que vous comptez faire à travers votre programme Effectivement, on mhm. doit moderniser l'agriculture, on doit vraiment investir dans l'achat des engins, on doit revenir à des techniques de valorisation des sols, on doit vraiment reconsidérer le fumier parce que ne l'oublions pas, nous sommes une société à dominante traditionnelle, nous ne sommes pas contre euh, le modernisme, la modernité, mais quand même, il y a des techniques tradition en tout cas de, de, mise en valeur des sols qu'on peut vraiment euh, repenser pour que vraiment euh, nos champs soient beaucoup plus productifs. Il faut faire en sorte que vraiment notre agriculture euh, nourrisse le Niger au sens propre. Il ne faut pas que ça soit un slogan. Est-ce que vous comptez améliorer le taux alloué à l'agriculture et à l'élevage pour que justement ce taux, par exemple pour l'agriculture, atteigne les 10% au moins, comme ça a été recommandé par la déclaration de Maputo Pour nous, c'est insignifiant. Ici, nous avons prévu de mobiliser 26% des ressources, de la mise en œuvre. Parce que euh, du point de vue numérique, le Niger, moi, vraiment, je dirais que c'est un pays, bon, un pays, en tout cas, dont euh, la population est, insignifiante numériquement, je vais dire. Hein. Mhm. Il y a des pays vraiment qui ont des centaines de millions d'habitants, des milliards d'habitants et qui arrivent à se nourrir. La Chine, par exemple, avec oh, plus d'un milliard d'habitants. Effectivement. Donc, c'est pourquoi nous, au CRPD nous pensons que notre démographie n'est pas un handicap, mais plutôt une richesse parce que l'homme est au cœur de notre projet de société, l'homme est au cœur de notre vision économique donc vraiment, il faut tout simplement euh, redonner confiance à l'homme nigérien il faut le responsabiliser parce que tout être humain ou bien tout citoyen qui prend conscience de ses responsabilités et sait qu'elle doit travailler pour subvenir à ses besoins. Merci à vous donc euh, pour euh, ces éléments de réponse que vous avez donnés par rapport euh, au secteur agriculture, élevage que vous dites bien vous comptez améliorer. Nous donnons la parole à présent à monsieur Abou Abdoulaye qui représente le candidat du Parti socialiste PS Imani. Comment votre programme compte améliorer le secteur euh, de l'agriculture et de l'élevage. Oui, merci. Le Niger compte 206 communes. Notre euh, parti a pensé à ce que tous ces 206 communes puissent produire ce qu'elles vont manger, pouvoir donc l'industrialiser et l'exporter. C'est-à-dire qu'au minimum des entreprises dans chacune des de communes. Parce que si vous voyez le Niger, et un pays importateur. Certes, l'agriculture donc occupe les 80% donc, de la population, mais presque tout ce que nous mangeons en majorité nous l'importons. Vous pensez qu'il faut faire la transformation La transformation sur agroalimentaire. Voilà. Et mm. aucun vous prenez aussi donc quand même le mécanisme pour faire donc l'agriculture n'y est pas. J'ai eu donc la chance quand même. Qu'est-ce qui bloque euh, de votre point de vue et qui est pris en compte Bon, moi je dirais que donc c'est une volonté et mhm. aussi donc euh, nous savons qu'au Niger il y a cette façon donc aux gens de vouloir donc mieux privilégier ceux qui, viennent de l'extérieur par rapport donc à ce qui est produit localement. Donc pour changer cette tendance, nous avons donc premièrement donc la mise en place des entreprises agricoles, comme je l'avais dit, mhm. dans les 266 communes donc du Niger, ce qui finira par créer une industrialisation par la transformation des produits issus de l'agriculture. Mhm. Deuxièmement, il y aura donc la formation et le renforcement des capacités des différents acteurs. Nous avons aussi donc le renforcement de la chaîne de production des produits agro pastorales, en mhm. modernisant les différents secteurs existants d'abord et en adaptant donc de nouveaux par l'affectation des mécanismes appropriés. Mhm. Nous avons aussi donc l'industrialisation des produits issus de la production agro-pastorale et aussi la commercialisation. Nous vous avons donc euh, compris, c'est cela le contenu de votre euh, programme. Nous allons terminer avec la partie sécurité. En effet, sur euh, le plan sécuritaire, depuis l'attaque kamikaze perpétrée en mai 2013 à Agadez et la première attaque de Boko Haram en février 2015 à Difa et Bosso, le Niger fait face à une situation sécuritaire sans précédent, étant entouré de plusieurs foyers de conflit le Niger a vu l'insécurité s'élargir sur l'ensemble du pays. D'importantes pertes en vues humaines et dégâts matériels euh, occasionnés. À ce jour, l'état d'urgence sécuritaire sévit dans trois régions du Niger. Il s'agit de Tawa, Tilaberi et Difa. Une fois élu, comment comptez-vous agir pour que tous les Nigériens vivent en sécurité Monsieur Abdoulaye Doumari, le représentant du candidat du parti CRPD Sulhu Ibrahim Gado. Ok, merci bien, monsieur le présentateur. De façon concrète, nous comptons créer des comités de vigilance partout où le besoin se fait sentir notamment dans les différents villages, dans les zones les plus reculées, pour mieux responsabiliser l'ensemble de nos concitoyens. Parce que nous estimons que la sécurité est une question nationale, c'est une question qui concerne tous les concitoyens il faut que nous responsabilisions nos concitoyens pour qu'ils sachent que chacun doit investir. Ça, c'est la vision. C'est la vision du programme, mais dans le contenu, qu'est-ce que vous prévoyez Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de militaires Est-ce qu'il faut faire plus d'achats d'équipements Du point de vue euh, pratique, nous pensons qu'il faut euh, recruter en tout cas plus de forces de l'ordre. Il faut leur redonner confiance parce que nos forces de l'ordre vraiment font partie des meilleurs de la sous-région. À ce mhm. niveau, nous comptons mobiliser 2 000 milliards de francs CFA à travers un budget programme sur 5 ans afin d'équiper les forces armées nationales ou bien forces armées nigériennes. Merci beaucoup. Monsieur Abou Abdoulaye, vous êtes euh, le représentant du candidat du Parti socialiste PS euh, Imani, Sogbo Adolphe. Quelle est votre solution contenue dans votre programme pour euh, cette présidentielle du 27 décembre 2020 relativement à cette question de sécurité Votre parti va beaucoup donc s'accentuer sur le renforcement donc d'abord donc de l'effectif donc de nos FDS et les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent quand même donner le meilleur de même. Nous sommes dans une situation où maintenant c'est une guerre asymétrique mhm. parce que comme on dit donc au grand mot donc les grands remèdes. Dans notre programme d'abord donc c'est de mettre nos FDS dans le diapason, c'est-à-dire que vous savez l'évolution donc du monde et pour cela donc nous allons mettre donc nos FDS dans les conditions donc euh, euh, les plus acceptables et aussi faire en sorte à ce que la population soit impliquée. Parce que qu'est-ce qui fait donc la force donc des, des militaires C'est surtout l'information. Et souvent, donc, il y a la réticence même de la population parce qu'ils voient qu'ils sont. ne euh, faut pas qu'ils donnent des informations donc, à, à, ces militaires et après donc ils se retrouvent comme des proie pour donc, ces terroristes-là. Nous, ce que nous prévoyons aussi, c'est surtout prendre en charge la famille donc des FDS donc tombée parce que vous savez la plupart donc qu'est-ce qui fait que les gens même ont du mal donc à s'engager donc dans l'armée quand un militaire tombe par exemple sur le front sa famille donc est ici. Si c'est pas ces derniers temps là qui donc le waqf qui donc l'État a venu donc à mettre donc en place pour essayer donc de venir donc en aide aux familles donc de ces FDS. Vous comptez reconduire cela dans Bien sûr, nous voulons même l'élargir parce que une personne qui part donc donner sa vie, elle a elle, quand même avoir l'assurance qui même après elle sa famille sera quand même euh, dans de bonnes conditions. Pour terminer ce forum, c'est une question que je pose euh, à tous les deux à chacun. Selon vous, pourquoi ces constats amers euh, sur la situation actuelle et comment vous comptez y faire face Ok, merci bien. Il faut vraiment que par l'éducation, comme nous l'avions dit, qu'on réintroduise la question de l'instruction civique et morale. Il faut aussi euh, reconsidérer la formation euh, religieuse. Elle peut être coranique, elle peut être basée sur les autres religions, mais il faut que vraiment nos concitoyens sachent que au-delà de cette vie, il y a une autre vie et nous allons rendre compte. Parce que souvent, c'est la méconnaissance des principes et dogmes de nos traditions, les bonnes traditions de notre religion qui font en que nous vivons bon, de façon peu orthodoxe la Monsieur Habou Abdoulaye, représentant du candidat Sagbo Adolphe du Parti Socialiste oh. PS euh, Imani. Pour que cela donc, quand même, puisse donc, euh, se faire, il faut qu'il y ait beaucoup donc, de changements donc, de mentalité. Parce que le Nigérien, c'est quelqu'un qui euh, a trop de laisser aller, si je peux me le permettre. À tel enseigne que donc, souvent on se croit que nous, avons une certaine liberté qui excède souvent, alors qu'on dit que notre liberté, elle s'arrête ou commence donc de quelqu'un d'autre éviter ces problèmes de dégâts C'est la fin de ce numéro du forum spécial élection au Niger. Ce numéro du forum de Studio Kalangou est l'un des dix que le Studio Kalangou s'est proposé de faire dans l'une des trois langues que sont le Hausa, le Zarma et le français. Et cela à raison de trois candidats par émission. Rappelons que cette émission spéciale élection au Niger de Studio Kalangu vous offre l'opportunité de découvrir les programmes politiques des 30 candidats déclarés éligibles à cette élection présidentielle du 27 décembre prochain. Nous étions en compagnie de monsieur Abdoulaye Doumari. Il est le représentant du candidat Ibrahim Gado du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie CRPD Sulhu. Nous étions également en compagnie de M. Monsieur Abou Abdoulaye, il est le représentant du candidat Sagbo Adolphe du Parti socialiste PS Imani. Nous avons également invité à ce forum le candidat du parti PNDS Taria, mais ce parti n'a pas donné suite à notre invitation. À la modération de ce forum, c'était Michel DG, à la technique Abdelkader Chombiano. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et au revoir.